Comme nga nag sénégalais li muy foog mooy moo de xaw a dérange dafa dañuy déshabiller Paul pour habiller gens. bi Covid bi d'afin, dafa euh, aliéné ay démarches administratives yu bari Tay, au niveau du permis de conduire bi nga xam ne man ci laa que ña nga xam ne dossier mi dans le circuit jot nañ seen permis mais les nouvelles demandes il faut que ñu une machine bi jël euh, rythme bi mu jël avec le personnel donc je pense que ni sénégalais mën na ñaxtu boo xam des dafa soxla dara mu yéex waye gis ngeen bañ leen fi waxee ñëw leen remplacer des permis tende tendeefal ba la dernière seconde donc en un mot man xawma lan la sénégalais bëgg bu lui donnez la possibilité de régler son problème du ko def mais tay bu amé lu mu reprocher un service administratif c'est des cris d'orfraie on jette l'opprobre sur ce service alors je pense que Déjà, le ministère BDF, on salue au passage le ministre et le directeur des transports, par ricochet le chef de division du permis. Parce que si nous avons une visite technique, il a une prorogation, c'est parce que le système ne peut pas être huilé tout juste après euh, le gel dû au Covid. Donc il faut que nous ayons patience aussi. Les policiers sont dans le parce que le ministre a arrêté. Il a une prorogation sur la validité de la visite technique. Il permis de conduire. Nous avons admis, c'est un permis de commencer à même si c'est au compte-goutte, mais qu'ils prennent leur mal en patience, c'est ramener tôt ou tard, le service sera dans de meilleures conditions pour évacuer toutes les demandes dans les plus brefs délais.